Bonsoir à toutes et à tous, chers amis Internet, c'est Smart TV. C'est un vrai plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et que tout se passe comme vous voulez là où vous êtes. N'oubliez pas de liker cette vidéo, d'activer la cloche de notification et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Ce soir, c'était la Champions League. Et qui dit Champions League dit le Bayern Munich de Sadio Mane était en déplacement au Victoria Prison en Tchèque. Et les Bavarois se sont imposés sur le score de 4 buts à 2. Sadio Mane a ouvert le score à la 10e minute sur une belle remise de Kopetska suivi du deuxième but de Thomas Müller et le doublé de Leon Goretzka. Les Bavarois, par la même occasion, sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Champions Au pire des cas, l'équipe terminera deuxième. Et aujourd'hui, on a vu Sadio Mane sur le côté gauche. Il a fait bah, ce qu'on connaît de lui les petits coups d'arrêt, les petites accélérations, les dribbles inter exter à l'intérieur. Franchement, on commence à retrouver notre Sadio Mane petit à petit. C'est vrai que le début était un peu difficile et ça peut se comprendre. Nouveau pays, euh, nouveau championnat, nouveau club, donc où il commence à connaître ses coéquipiers et puis la mayonnaise qui prend forme. C'est tout bénéf pour nous et les amoureux de Sadio Mané. N'oubliez pas de liker cette vidéo les amis et n'oubliez pas de donner vos avis en commentaire, c'est important pour nous. mbokk yi ñoo ko déggandoo mbokku seen Smart TV tey la Bayern Munich dafa nekkoon en déplacement fële sa Tchèque doon affronté Victoria Plizen waa Bayern ñoo dóor ñeenti bal ci ñaar sunu Sadio nag moo taal premier but bi ba match bi amee fukki minute Leon Goretzka moo ko paas mu taal ngeen ni but ngi commencé gis Sadio bi ñu xamoon ki nga xam ne moo doon jàpp latéral yi di leen teggi di leen accéléré di aw ci digg bi di dóor franchement tey très très évident mu xaw a metti parce que dafa changer de xam nga changé championnat am ay coéquipiers yu bees adaptation bi du yomb noonu mais petit à petit Sadio Mané mi ngi ñëw et loolu ñun ñoo ciy kontaan bu leen fàttee joxe seen avis en commentaire sur ce je vous dis passez une excellente fin de soirée.